Bonjour chers auditeurs et auditrices du studio Kalango, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette émission Le Niger sur Kalango. Au micro, je suis Samira Wafi et à mes côtés, Mariam Ibrahim Adé. La technique d'aujourd'hui est assurée par Mustafa Ayouba et à l'édition, nous avons Adam Adawaki. Alors Mariam, comment vas-tu ce matin Ça va bien Samira et toi Ça va très bien. Alors quel est le menu de ce matin eh bien, Mariam, ce matin, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information avec Mokhtar Hamadou, une bonne dose de musique 100% nigérienne, comme d'habitude. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Tessawa, dans la région de Maradi, pour parler de la fabrication d'un savon local. Il y aura également la page sport avec notre chroniqueur sportif de Puisander. Et aujourd'hui, chers auditeurs de la rubrique invité du jour, nous nous sommes entretenus avec le journaliste Walter Molondi pour explorer la réalité du terrain pour les journalistes du Sahel. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. et nous est présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour, Mokhtar. Bonjour Mariama Adé, bonjour Samira Rouafi. Le flash d'information de ce mercredi à présent. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a donné hier le coup d'envoi des travaux d'aménagement et de bitumage de plusieurs voies à Niamey au cours d'une cérémonie. Ces travaux concernent L'aménagement et le bitumage de la corniche Gamkale de l'échangeur Place des Martyrs jusqu'à l'avenue de l'Afrique en passant par l'abattoir de Niamey sur un linéaire de 2,7 km. L'aménagement du rond-point de l'aéroport international Gyori Hamani au poste de péage de la sortie vers Dosso sur un linéaire de 10 km en deux sections. L'aménagement de la route euh, niamey RN25 en passant par l'intersection, en, partant de l'intersection du boulevard Tani sur un linéaire de 6,5 km. Les travaux de réhabilitation de la route Nyamenyala et le canal Guntiena et bien d'autres projets sont financés par l'État du Niger et la Banque ouest africaine de développement d'un coût de plus de 60 milliards de francs CFA. La Direction générale de la protection civile fait état de 17 pertes en vie humaine, dont 4 par effondrement et 13 par noyade et 28 personnes blessées à la suite des inondations enregistrées au Niger à la date d'hier 25 juillet 2023 selon le bilan publié hier. Ils sont plus de 21 000 sinistrés répartis dans les huit régions du Niger sur 24 départements et villes, 40 communes et 117 quartiers du villages. Selon toujours le bilan de la Direction générale de la protection civile, sur un total de 2490 ménages sinistrés, 1710 ménages ont été effondrés, 252 cases endommagées et 729 bétails emportés. Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a ouvert hier 25 juillet les travaux d'une réunion délocalisée sous le thème Renforcement de l'inclusivité politique dans le processus de la gouvernance participative des mécanismes de promotion de la paix et de la sécurité à Monrovia au Libéria. Cette réunion organisée par la commission mixte affaires politiques, paix, sécurité et mécanismes africains d'évaluation par les pairs du Parlement communautaire constitue une occasion pour l'institution communautaire de marquer sa proximité des peuples d'Afrique de l'Ouest et partager avec eux les expériences relativement au thème qui sera débattu. C'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 26 juillet 2023. Merci beaucoup, Mokhtar. On te souhaite une très belle journée. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt dans la rubrique invité du jour, nous nous sommes entretenus avec le journaliste Walter Moulondi pour explorer la réalité du terrain pour les journalistes du Sahel. Avant de donner la parole à notre invité, écoutons d'abord la première musique de notre sélection d'aujourd'hui avec le titre Marietou de Boncana Mega. chanson nigérienne des temps de la Samaria et ballet nigérien, puis interprétée par Bonkana Mega en 1984. C'est au Mali, dans la ville de Gao, qu'il a vu les jours. Il a grandi au Niger avec ses parents et suivra après un parcours primaire et secondaire, une formation de comptable. Déjà, il s'intéresse à la musique, mais en amateur. Il est successivement professeur de musique à l'Institut national des arts, directeur adjoint du Conservatoire de Côte d'Ivoire. Il forme et dirige pendant 14 ans l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne RTI. Il se consacre aux arrangements pour d'autres artistes comme Alpha Blondie ou Abdoulaye Diabati. C'était le titre des bons Boncana Mega. J'espère que vous avez aimé ces titres, chers auditeurs. Passons à présent à notre entretien. Depuis des années, les Sahel fait face à des défis sécuritaires considérables avec la prolifération des groupes armés, des conflits armés et des crises humanitaires. Dans ces contextes dangereux, les journalistes jouent un rôle essentiel en tant que témoins de l'histoire. Cependant, la profession journalistique dans le Sahel est confrontée à des menaces sécuritaires. Les journalistes font l'objet de violences, d'enlèvements et de pressions, entravant leur travail vital d'apporter la lumière sur des sujets sensibles. Dans cet entretien que nous allons écouter, Fadel Alou reçoit le journaliste Walter Moulandi pour explorer la réalité du terrain pour les journalistes du Sahel. On écoute. Quel est votre aperçu euh, de la situation sécuritaire actuelle des journalistes travaillant euh, dans le Sahel ah bah écoutez, moi, j'ai écouté les journalistes. Est-ce que je, retiens, c'est son particularité pour un pays spécifique c'est que dans la région du Sahel, il y a des zones transfrontalières, on parle des zones de trois frontières, on parle de, des zones rouges que euh, les journalistes doivent traverser parce que il y a des communautés qui vivent dans ces zones-là et que ces communautés ont un droit il, est inaliénable d'être informé et que c'est une obligation pour les journalistes de les informer et de leur donner la bonne information. Mais malgré tout, on doit prendre des précautions. Ils m'ont parlé des défis, euh, si tu veux, ou des risques d'accès aux sources d'information en zone sécuritaire, mais que parfois ils sont obligés d'y aller, euh, qui reçoivent des menaces, soit dites ou non dites, euh, il y a dans certains pays du Sahel actuellement euh, des lois non écrites, mais qui s'appliquent au cas par cas, selon que euh, le sujet couvert par un journaliste titille ou, caresse dans le sens contraire du poil les, les, responsables administratifs locaux ou régional ou national quand ça dérange quand les sujets du journaliste dérangent, on lui sort euh, une interprétation d'une loi qui n'est pas clairement écrite. Est-ce à dire que les journalistes sont euh, souvent forcés à la rétention de, de certaines informations ou à de l'autocensure Il y a l'autocensure, franchement, qui, il y a, qui sont obligés de, de s'auto-censurer ou refuser carrément de traiter tous les sujets qui touchent à la sécurité, aux groupes armés. Euh, et, il faut imaginer de, la sémantique, il faut imaginer un lexique qui ne dérange pas. Et, du coup, euh, on se décide, bon, euh, tiens, on, ne va plus couvrir ces sujets, on refuse de le couvrir. Et là, les auditeurs s'interrogent, pourquoi tel média ne couvre plus tel sujet alors qu'on aurait voulu l'avoir. Monsieur Walter Molondi, dans ce contexte, quels sont les risques euh, ou dangers auxquels les journalistes sont, confrontés dans les zones du Sahel Ils s'exposent à des risques sécuritaires parce qu'ils doivent traverser des zones rouges. Ils s'exposent euh, à des risques de, poursuite poursuites éventuelles euh, parce qu'il y a des nouvelles législatures que les tenants du pouvoir peuvent appliquer sévèrement contre les, journalistes euh, qui ne font que leur travail, euh, que celui de former. Et lorsqu'ils choisissent d'informer objectivement, ça pose un problème. Lorsque c'est objectif, euh, il y en a qui reçoivent des remontrances par rapport à un nouveau genre journalistique dont j'ai entendu un mot, le journalisme patriotique ou un traitement patriotique de l'information alors que euh, il est un principe éditorial sacro-saint euh, qui euh, veuille que le journaliste n'ait de compte à rendre qu'à sa rédaction et non pas à une autorité extérieure à sa rédaction. Mais, mais, mais, le, le journaliste qui rend service à sa communauté, c'est un journaliste vivant qui reste en vie. Il peut arriver des situations où on décide de s'abstenir, ou peut-il arriver des situations où on, donne un traitement a posteriori, mais pas en direct, pas sur le feu de l'action c'est-à-dire après, euh, après le retour du journaliste sur le terrain, c'est en ce moment qu'il doit commencer le travail, c'est ça C'est-à-dire qu'on laisse le journaliste euh, collecter les éléments d'information, le maximum d'informations, et aussitôt rentrer à sa rédaction, c'est à ce moment-là qu'il peut procéder au traitement. Et là encore, les responsables éditoriales peuvent décider de traiter les sujets dans une voie autre que celle du journaliste. Ils donnent toutes les informations, ils réduisent tout, mais le rendu est donné par une autre voie. En lui gardant l'anonymat euh, en fonction euh, de euh, la sensibilité du sujet ou pas. Une décision éditoriale à prendre au niveau des responsables éditoriaux de sa rédaction. Bien avant de continuer notre entretien, on va kiffer les sons de Hamdi Is My Life. See C'est calme music. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ndishakata na hana inye kunchi yinta bani kuzari kubiyoni kusha bari eh. yinta yana sa inji daɗi yana sa ni Dola dole na yin music band daga manki kuma bani fata na barki tunda kin zama mun mai ɗaki karbi zuciya ta na baki eh, bani fata na barki Prateada na barriga nasiha tana taimakawa wajen waye kan al'umma tana kira mu dana faɗa mu zama guda ha abada tana jan hankalin mu wajen neman na kanmu ya ta yi kai eh, wallahi waka ta wajen shawo kai tana hana sai da bayi kyaukyawa sunanta kada ka guje ta nemi ka santa kafin ka tsangon yinta fly zaka yi dan ka tsunduma a cikin ta kar ka ji wai da gaske ne da ina santa tsakanin mu akwai kyaukyawan fahimta ban ban gani idan aka zage ta dan dalilin ta daga ya rayuwa ta kwarai daga gaske ai ta sa na ilmanta kaskanci har kunci ta sa na nisanta aminci ya tabbata gun mai sauraranta music is my life très belle preuve d'amour pour la musique. L'artiste, chanteur, rappeur nigérien Hamdi Malan de son vrai nom Alaji Jubo Ahmed Tjani commence la musique dès l'âge de 10 ans. En 2006, il intègre successivement aussi plusieurs groupes. Il décide en 2015 de se lancer dans une aventure, en solo et sort en autoproduction sous son label Siha Vibes, premier album, Allah anachi en 2017 on y trouve des styles aux renaissances musicales actuelles, trap, afro-trap, afro-type, et des titres qui ont depuis fait l'aura. un bonhomme de chemin, Ubon Suduka, Natch Andai, Jara. Exactement, depuis 2019, euh, l'artiste prépare un projet musical d'envergure avec son retour sur scène désormais 100% live. C'était le morceau My Life de Hamdi euh, et c'est le moment de retrouver notre invité du jour. Dans cet entretien, il est également question de défis que les journalistes affrontent au quotidien pour rapporter les événements ainsi que les mesures possibles pour garantir leur sécurité. Écoutons plutôt la suite de cet entretien de Fadel Alou et Walter Molondi. Monsieur Walter Moulondi, en amont, quelles sont les précautions que le journaliste lui-même doit prendre, lui et ensuite son média, pour euh, euh, euh, faire face à ces défis sécuritaires dont vous avez parlé tout de suite Avant toute chose, c'est important pour le journaliste et son média que l'ensemble des journalistes soient sensibilisés et formés aux questions sécuritaires. Savoir identifier les risques sécuritaires c'est-à-dire établir un plan de sécurité pour le média. Le plan de sécurité pour chaque média est extrêmement important parce que justement, euh, le plan de sécurité qui ne se limite pas seulement aux journalistes, mais qui s'étend à tout le personnel du média. Euh, je prenais l'exemple d'un tuk-tuk qui a trois roues. La roue avant, la, la première visible, c'est disons le volet éditorial, donc les journalistes. Mais il y a deux roues à l'arrière, une roue gauche et une roue droite, qui peuvent représenter respectivement le volet administration et, euh, et finances, et l'autre volet qui est un volet euh, technique. Voilà trois roues qui, ensemble, rattachées au tuk-tuk, permettent que ce véhicule puisse bouger. Et donc, les précautions, le plan de sécurité prend en compte toutes les opérations qui concernent chacune de ses particularités, chacune de ses roues. Du côté du journaliste lui-même, comment est-ce qu'il doit se préparer avant euh, d'aller sur le terrain euh, dans la préparation, par exemple, administrative, c'est important que le journaliste ait sa carte de presse. Attention à ne pas confondre avec la carte de service, la carte de presse. Ensuite, euh, l'itinéraire qu'il doit utiliser pour partir de sa rédaction vers le terrain de collecte des éléments, il faut s'assurer et vérifier auprès des sources fiables quel est l'état de sécurité dans la zone. Si euh, euh, c'est élevé, il faut s'abstenir d'y aller à ce moment-là, attendre que la route soit sécurisée, sécuritaire, safe, qu'il y ait une sûreté pour le journaliste pour y aller. On doit se rassurer avec tout ça. Euh, il faut que le journaliste, avant de partir, ait un ordre d'émission, signé en bonnet et forme. Euh, s'il doit partir en brousse, c'est important qu'il ait les chaussures appropriées. On n'y va pas pour les dames avec des hauts talons, euh, des chaussures plates, des, des, baskets, des pantoufles assez solides. C'est recommandé aussi bien pour les dames que pour les messieurs. Euh, éventuellement, euh, un pantalon, pas, une jupe euh, serrée pour une dame. Et ni pour les hommes, pas de pantalons trop serrés. Il faut être à l'aise dans son accoutrement, pas trop extravagant justement, parce que le journaliste doit garder un profil bas, low profile comme on dit en anglais, un profil bas, ne pas se faire remarquer. Il n'est pas là pour faire la superstar. Il va couvrir un sujet dans une zone euh, à risque, dans une zone en crise humanitaire et sécuritaire, et il va parler à des gens qui sont peut-être euh, démunis, qui ont des sérieuses difficultés. Tu n'y viens pas dans ces zones-là avec des gourmettes en or, avec des bijoux en or. Ah, tu ne viens pas bling-bling, comme on dit dans ce genre de zones. Il faut euh, avoir l'empathie nécessaire pour pouvoir euh, bien parler à ces, sources d'informations. que doit-il faire une fois qu'il est déjà sur le terrain Comment doit-il communiquer avec euh, sa rédaction ou son rédacteur en chef euh, sache qu'il est euh, en, sécurité Dans les consignes sécuritaires qu'il doit recevoir de son rédacteur en chef, il y a notamment que toutes les 60 minutes, il doit faire la situation de l'évolution. On vient d'arriver à tel village, à tel endroit, tout va bien jusque-là. Une heure de temps après, il doit encore signaler tout ça. Mais attention, quand il part sur le terrain, il a un téléphone, il doit s'assurer que, par exemple, la mémoire du téléphone ne contient pas des images ou des données compromettantes, comme des images soit d'un village brûlé, soit d'un corps mutilé, rien de compromettant dans le téléphone, ou euh, Admettons qu'il quitte une zone contrôlée par les forces gouvernementales, qu'il doit aller couvrir un sujet dans une zone euh, contrôlée par euh, des forces autres que des forces gouvernementales. Il y aura forcément quelque part des checkpoints. Quand il quitte la ville, qu'il commence à arriver dans une zone où il y a moins d'habitations, il va tomber sur des barrières. Être courtois, être simple, ne pas paniquer, garder son sang-froid, répondre aux questions qu'on a reçues mais ne pas ajouter non plus. Il ne faut pas répondre à des questions qu'on ne vous a pas posées. Juste l'essentiel. Et dans sa communication non verbale, il doit être calme, posé, n'est pas paniquer. Et se présenter et dire pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. Il ne faut pas tenter de forcer un checkpoint. Ou si on vous interpelle, il ne faut pas rebrousser chemin et commencer à courir, parce qu'on s'expose soit à des tirs ciblés, etc. etc. D'accord. Merci beaucoup, euh, Walt Molondi, d'avoir euh, pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup euh, Fadel Alou euh, pour cet entretien. Merci aussi à Walter Moulundi pour ses conseils qu'il nous donne et qui sont très importants à suivre pour un journaliste. Samir, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdo. Nous sommes mercredi et nous allons parler d'environnement. Exactement, Mariam. Et aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre l'ensablement du fleuve Niger, une situation très inquiétante. Le reportage est signé à Soumana j'ai l'habitude de questionner euh, certains grands-parents, certains papis. Ils ont l'habitude de me dire, nous, 20 ans avant, 30 ans, 40 ans avant, c'était pas comme ça. Le fleuve, eux, ils disent qu'il est en train de s'ensabler de plus en plus. Tellement que le fleuve était ensablé à un moment donné sur quelques rives là. Quand il y a un petit vent, il y a les poissons qui, qui étaient pratiquement dehors. C'est une manière de dire que vraiment l'ampleur de l'ensablement du fleuve Niger est importante et il faut prendre des mesures conséquentes. Alors, quelles sont les causes même de ces phénomènes Les causes de l'ensablement du fleuve Niger, il y a d'abord les coris affluents qui sont profanés, qui charrient énormément de sable qu'ils déposent bien sûr sur le lit du fleuve Niger. Il y a l'érosion qui est souvent causée aussi par euh, la coupe abusive du vent. Tout ça là, ça contribue. Quand il y a la pluie, le sable vient pratiquement dans les coris et les coris charrient ce sable là jusqu'à dans le fleuve. Il y a aussi des milliers de tonnes d'ordures ménagères et plastiques qui sont soit charriés par les égouts des grands centres urbains, qui sont délibérément déposés dans ce fleuve-là. On peut aussi parler un peu du changement climatique aussi. Quelle stratégie vous avez adoptée pour euh, lutter contre euh, cet ensemblement En tant qu'ONG, nous, nous allons contribuer d'abord par la sensibilisation. On doit d'abord sensibiliser, conscientiser et responsabiliser tout un chacun. Parce que la question du fleuve Niger, ça relève de tout un chacun. Tout le monde doit être conscient, tout le monde doit être sensibiliser et responsabiliser face à tous ces problèmes-là auxquels le fleuve Niger fait face, pas seulement l'ensablement. Voilà. Et tout un chacun, comme je l'ai dit, doit avoir un geste de secouriste à travers vraiment, par exemple, euh, pour le Nigérien aujourd'hui, c'est devenu banal pour lui de, par exemple, s'il boit du piawat ou bien s'il prend un jus, s'il est sur le fleuve, il est dans sa voiture ou sur moto ou sur fleuve ou même à, pied, c'est naturel chez lui, il va penser à jeter ça tout simplement dans le fleuve ou bien il peut jeter ça comme ça sur la rue. Je pense bien que c'est des gestes à éviter activité, c'est vrai, pour le Nigérien, c'est pas quelque chose, mais vraiment, c'est important aussi d'avoir en tout cas des petits gestes qui sauvent et éviter ce genre de gestes qui peut conduire à longue haleine à des problèmes. Nous envisageons aussi, en tant qu'ONG, de mettre en place des comités de surveillance permanents dans les villages riverains pour éviter à ceux que les sachets, les, les ordures ménagères et plastiques soient délibérément jetés dans le lit du fleuve Niger et autres déchets et décombres aussi. Il y a l'implication aussi, on cherche à impliquer, comme on l'a dit, des les élus locaux, les chefs traditionnels, les plus hautes autorités, d'ailleurs qui nous ont fait confiance en nous octroyant un cahier de charge. Il y a aussi ensuite l'implication de la jeunesse surtout qui est importante, mais aussi des riverains, comme ils sont eux, c'est directement liés par le fleuve. En tout cas, on va travailler avec eux pour plus de résultats. Nous allons aussi accompagner les municipalités à multiplier les points de collecte des ordures de la voie, parce que c'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de poubelles dans la ville de Niamey. C'est pour cela, parfois, on peut dire que c'est ce qui fait en sorte que, aujourd'hui, le Nigérien, quand il boit quelque chose, ou bien quand il finit avec un sachet, quand il regarde, il n'y a pas vraiment assez de poubelles. Alors, il, il jette ça par terre pour qu'il puisse s'en débarrasser. Il y a aussi ça, et même si on conscientise, on sensibilise, il faut en tout cas aussi créer les conditions pour que cette sensibilisation, cette conscientisation puisse marcher à travers bien sûr l'installation des poubelles un peu partout dans les rues et les ruelles de la ville de Niamey. Et ça, nous allons accompagner les municipalités pour pouvoir euh, avoir euh, ces poubelles-là. Nous allons euh, aussi mettre en place des brigades d'extraction des ordures plastiques de la jacente d'eau et autres ordures parce que nous comptons aussi à travers la jacente d'eau, à travers les ordures plastiques, nous allons les transformer pour en faire des poubelles et autres. Voilà, et aussi pour embellir la ville de Niamey dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que vous avez déjà commencé quelques actions sur le terrain oui, déjà le 8 de ce mois, il faut noter que c'est une très jeune ONG. On a eu notre arrêté juste le 15 mars de l'année 2023 et déjà nous avons eu à faire le lancement officiel le 8 juillet 2023. Ça déjà c'est un début. Voilà, et nous comptons monter des projets aussi de désensablement du fleuve Niger avec des ingénieurs compétents qui utiliseront sûrement un dragueur de sable. Un dragueur de sable, c'est tout simplement une machine qui est là qui aspire le sable pour l'injecter hors du fleuve. Je pense bien que ça va être très important. Nous allons aussi travailler, parce que nous sommes en étroite collaboration avec la mairie, pour voir comment travailler avec euh, de l'exploitation des carrières de sable. Parce qu'à Niamey, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de construction qui se fait par-ci, par-là. Et je pense bien que ça, ça va aider beaucoup euh, le fleuve en, en, enlevant le sable là et en vendant ça. Voilà, peut-être voir avec la mairie qu'est-ce qu'on peut diminuer pour ces exploitants de carrières de sable, tout ça là, pour qu'on puisse les amener à encore plus à lever le sable pour aller faire leur construction avec, pour qu'on puisse vraiment relever le qui est le fait de sauvegarder et de protéger le fleuve Niger. Merci China. Poursuivons la consommation musicale dans cette émission. Le Niger sur Kalangu avec ses titres Légende et relève, un featuring entre Hakim et Fenobi. Hein. pour changer de vie, il faut savoir changer ses priorités. Phénoménal Hakim, les ah, légende de vérité. Uh-huh. Ces deux générations sur le même son, gens uh-huh. et relèves armés sur le même fond. C'est une continuité, ça reste le même plan Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Ces deux générations sur le même son, gens uh-huh. et relèves armés sur le même fond. C'est une continuité, ça reste le même plan. Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Le temps n'est pas révolu, les mentalités sont évoluées. Les valeurs et les mérites, ici on les dévalue. Le box est résolu pour commettre la bévue. Le rap était mieux quand c'était le mouvement. Le game est arrivé avec sa haine résolument. La persévérance a materné mon époque. Pas de beat à télécharger, pas de hop c'est toi gens. Pas de WhatsApp, pas d'Insta, pas de Facebook, pas de merde. À mon époque, il n'y avait pas TikTok. <laughs> Je sors et je reviens. La prudence consolide les succès, mais la présomption les détruit, tu sais. Ma génération a construit ce mouvement avec une passion forte sur les bases fortes. Ces deux générations sur le même son, ah, ah. les gens et relèves armés sur le même fond. C'est une continuité, ça reste le même plan Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Ces deux générations sur le même son. jeunes et relève armés sur le même front. C'est une continuité, ça reste le même plan Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. Depuis mon passage, j'oublierai pas vos passages. Sans les ni réseau, mais les aînés faisaient du carnage. Je me rappelle de Chakei, je me rappelle de KG, de Jorogi, de LK je me souviens de Waswong. Ils avaient plus de crédibilité que nous, plus de feu que nous. Leur époque était meilleure que notre. Il y avait beaucoup de concerts, énormément de posters. C'était l'époque où de rappeur agit avec son faussaire. Alors qu'à notre époque, chacun insulte la mère de chacun. Chacun se moque de chacun, l'opinion publique est choquée. Tu sais, moi, je suis pas pressé. Et ouais, à qui précis Je pose avec le président, et j'ai une putain de nostalgie. Je suis la relève, et Féno, c'est la légende. La connexion est bonne, bah ouais, parce que le beat est méchant. Je vais tout tracer, je vais marquer mon passage. Mon âme dans les annales, et ça au fil des années. Ces deux générations sur le même son, les et relèvent armés sur le même fond. C'est une continuité, ça reste le même plan. Même si le temps est révolu, ça reste le même plan. c'est deux générations sur le même son, les et relèvent armés sur le même fond. C'est une continuité, ça reste le même clan. Si est un artiste du Niger, il rappe et chante. C'est dans l'univers du hip-hop qu'il a choisi de faire carrière. Ses atouts, un bon flow et des belles rimes. C'est lui le royal de Tarmamou Moudawarda, nigérien de cette année. Il est très influent et il a sorti il y a juste quelques jours à son dernier titre, Nouveau Départ. Exactement. Feno, quant à lui, était le compositeur principal et producteur des chansons du groupe Kaidengaskia 2. Il est aussi réalisateur de leurs clips vidéo, ce qui lui donnait un statut d'opérateur culturel au Niger. Il a marqué sa carrière avec les deux versions de son groupe Kaidangaskia. Depuis peu, il se reconstruit une carrière solo. Donc, Mariam, ce son que nous sommes en train de kiffer est un mélange de deux générations différentes qui s'accordent parfaitement. Après cette pause musicale, Mariam, on passe à l'écho des régions et aujourd'hui nous allons à Tessawa pour parler de la fabrication du savon. L'initiateur et enseignant de formation, Mohamed Rasulan Aboubakar Sama, s'est lancé dans la fabrication du savon local. Activité qui l'a conduit à mettre en place une savonnerie à Tessawa dénommée Gangami. Notre correspondant Seyd qui est allé à sa rencontre. Voici son reportage. Muhammad nursulan Abubakar Sama malamin makarantar boko ne mai shekaru 33 da aifuwa dan asalin tasawa wanda ya kirkiro wata husa'a ta buga sabuli don nuna kishi don ganin cewa sayan sabuli ga al'umma ya zama wani tsadar rayuwa sai mu saurare shi. Wannan aiki na sabuli abubuwa da dama sun yi motive na na fara shi. In mun doka a nan tasawa eh, sabuli dan alije da sattin muke sayan shi ya kai saba'in yanzu har ya kai guda ɗaya gomiya tara to kaga gaba yana iya gusawa kuma sabili abu ne wanda mutane ke amfani da shi yau da kullum to na wata ƙasa in ya kasance muna siyan shi da tsada wannan sai sa ne nazarin mu mun fara shi a ƙasa za mu iya yanda za mu amfani da namu na nan wurin eh, kuma ya kasance yana da sauƙin siye. Muhammadu Sulaiman Sama yana samun gudunmuwar shi ta hanyar ba da shawarwari da kuma ba da goyon baya ga abokan shi. To yanzu dai ba mu da tallafi gangarimi wanda ya je mana. sai na abokai da abokan arziki wasu sun bani karfin gwiwa su wannan kayan aikin a jimilce za ni ce ma sun habara miliyan da shika ɗari biyu sinadaran wasu muna samun su nan wasu kuma muna so su daga waje ana samu dida guri na shine in allah ya ɗaukaka abin ya kasance ko ba mu je nesa ba a nan yankin tasawa eh, ba mun yi amfani da sabili na waje ba tunda za mu iya na wanki za mu iya na wanka kuma da kuɗin da bai kai wanda za a sowa daga wani wuri ba matsaloli da muke fuskanta ba su da yawa abu guda dai da yake ci mini tuwo ga kwarya kamar Eh, an fara tambaya ta kuma an fara ƙure ni duk da a wannan wurin da ka gani in akwai kayayyakin da in mun yi su da yawa za mu iya yin karto 20 30 har zuwa 50 ga yini to yanzu irin wani baya huce mu yi goma ga yini eh, saboda kayan da muke da eh, ba su mana permeter mu yi irin wannan ai ka ga mulu ne su ba mu da su wadatacci balle mu samu damar yin 50 kin me in za mu yi su wadatacci za mu iya 50 za mu iya huce 50 to wannan kasancewar bai wuce adadin yanzu a yanzu karto goma eh, da muke yi ga yini shi ya kasance wata ran bukata ana kure ni sanusi malgwai ɗaya daga cikin masu shagunan da ya fara sai da wannan sabuli mai suna saboneri gangami ga kuma irin karbuwar da ya samu gaskiya ga yadda muke gani alhamdulillahi mu ma wani babban ci gaba ne ya same mu tasawa saboda wannan sabulin mun ɗora shi mutane kuma muna gwada musu sun fara sayan shi suna ganin amfanin shi saboda Allah bakin gwalgwado yanzu ya fara samun karbuwa. Mata in ka tallata musu sabuli suke wanka suke wanki kenan suke gane mahimmancin sabuli kenan duk wadda ta saye shi ta ba wata labari cewa ku tafi wurin wani akwai wani sabon sabuli yana da kunwa yana da abki kuma yana da kamshi suna ba mu wannan labarin kuma dangane da wannan muna jin daɗi kuma muna ganin tahiyar shi duk da yake sabo ne yana tahiya a hankali a hankali amma insha Allah muna ganin yana samun karbuwa To, alhamdulillahi, kasan ita kasuwa yanayi ne duka yanzu kasuwa kowace ce ma yanzu riba sai dai a ce alhamdulillahi tunda abin da ya shahida man kayan kwali wannan kowa ya sani ba riba ba gare su amma dangane da shi yanda suke ba mu shi sai mu ce alhamdulillahi tunda ana dan samu tunda akwai kayayyakin da zaka sawa wani biye ne zaka samu wani ma ga yanayin kasuwar da ake mai da ce ake to shi kuma wannan alhamdulillahi bakin gwalgwado ana samu mu fatan da muke dai Allah ubangiji yasa ya sa ya samu karbuwa tun da babban ci gabanmu ne garinmu a ce sabuli ana yin shi garinmu ya samu karbuwa ana zuwa daga wasu wurare ana sai kaga babban alfahari ne game da rashin samun isassun kayan aiki da yake fuskanta yana kira ga hakumomi da masu hannu da shuni na su tallafa mai don cimma burin da ya sa gaba na wadatar da jama'a da wannan sabulin Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Mariam, c'est le moment de passer au sport et la page d'aujourd'hui nous amène à Tessawa, région de Zender. Le match du barrage entre l'Espoir Football Club des Anders et les Zumunta Atlantique Club de Niamey s'est joué la semaine passée au stade de Dosso. L'Espoir FC des Anders est éliminé de la Ligue nationale. Quelles sont, les, raisons de sa défaite Suivant le reportage d'Ali à Zander. 12 de la Super League, l'Espoir Football Club des Zander perd un but à trois en faveur du Zumunta Athletic Club de Niamey. Les Rouges Blancs sont relégués à la Ligue nationale. Les supporters du club na rivian pas de cette descente. Tahiyar da esfor kanta a gurgunta ake tahiya da shi. yau in ka ɗauki kamar a ce jagorancin na espor shine ya zama to gurgunci shi kuma tahiya ta tsarin kwallon kafa bayya tahiya he da tare da jagoranci. Abun kunya ne a tattare da mu jihar da magaram a ce kamar zandar ban mu da kulob tsayayya ta Super league a jihar da magaram shi kan shi wannan abun abun kunya ne sannan kuma na biyu magabatan mu wanda suke jagorancin kulob mu bi layi ba su iya ba bai yiwuwa ka ɗauko 'yan wasanni 'yan wasa sama da goma sha ka ce za ka iya rike su a larki baka da kuɗin rike su sannan ka tara su baka ba su biyan su na salarin su baka ba su ba wadatattun abubuwa wanda ya kamata kamar na ci da sha suna ta jaje suna kuka wannan shi ma yana daga cikin taɓarɓarewa ta kula cikin hali wanda a kullum cikin jajantawa suke Selon le président de l'Espoir Football Club, Goumour Ibrahim, l'heure n'est plus aux accusations et autres allégations. Il faut se remettre à réfléchir et à travailler pour remonter à la saison prochaine. mai wata uku aka ba wata biyu mai wata biyu aka ba shi ɗaya wani wata ɗaya da rabi duka dan dai mu huce daga cikin wannan halin na matsalolin da muke ciki a yi balo lahiya kare kuma ya alkawali ana ida zai sallama kowa da kowa. De la vie de Maman Sani, president de la Ligue de football de Zander, les tournois de grandes vacances TGV seront restructurés afin de détecter de jeunes talents locaux. Duka ba su yi wasa ba. Sai ka ga kamar su 'yan zumunta su ne a Super League espoir tana league national yan zumunta suna construct in juyin su suna yi suna yi suna yi su shi har gaba me mu ba mu construct kawai daga baya kai defensor ka bada boom ta je can su su mido presque a 98% matchkin da aka hau yan ne suka da mu eh, da muke da jagorancin abubuwan da su yan wasan da su yan supporter kowa laihi gare yanzu abin da ya kamata mu yi mu komo ga yaran nan namu na jandar ta turma na vacancy nan dan a samu eh, club din su samu juwar juwar na gida su je su gyara su Merci Ali Keita pour ces informations sportives. Mariam, aujourd'hui, le portrait du jour nous amène à la découverte de Boubacar Hamma Boukari, dit Tidjani, né à Setore dans la commune rurale de Bitin Bitinkodi dans, la, dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. Âgé de 30 ans, il a commencé le jardinage dès son bas âge avec son oncle. Il est spécialiste de la culture de tomates et oignons. Il arrive à joindre le debout avec. Cette année, il a choisi de cultiver des melons pour la culture de contre-saison. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre pour son portrait. Comment est-ce qu'il mène ses activités suivant plutôt le reportage. e danejo ɗum gollirta nde mi famɗi kay dunejo mi gattata mirima mi gatta danejo o e safare to ille nde puɗɗuɗa ngal gollal mbaɗanmi golle am hikka mi puɗɗumi golle muɗum wodi wala hannde kay alhamdulillah mi famande golle muɗum sanne gila mana awa ɗum du da wasi ɗin fu birgiri gattata gina ko awa da awi gatta e ndeer duneeje kawonde o makke fu no mudirta sembe wati watta lokaci fu seɗɗa fuu a yaatirma ummuto a wi golle kaliji gatta aɗa waɗa gollal albacce gollal tomati amma mbiɗa hikka molowo cuɓiɗa ɗum waɗi ko cuɓiɗa gollal awa tirdi aawatirde ngal hikka dow maya kay geɗa gatta molo geɗa gatta labtanda geɗa watta windi bundu to wi ko hikka min ka moloni min gatti hikka ceeɗu ala waɗi nde majjum ɗum maali sorke laɓe ko buuja laɓtanda watta ɓe gatti min gi waɗi alhamdulillah wallahi to a wi molo gattuɗo lellede ɗe andi molo killaje woni ko limete hikka kina warde johana o wowi sofude ko watta killaje foti wallahi arande kay miko fana kila ɗiɗi ngam molo kanka ñande fof nana ɓeydo inoni kefi tati o yetti nay o yetti joyyi fa yetti jeego so fana en mawndi jon kay jeego ni dari fata ñaayi fa ñandene hubaba ko puuru mbo heewe komin cufe muɗum nden molo ano kanka mbiyen wala buulol noon ni na wallay to de ñaway fnowde buulol amma de ñawi wala ko mbiten jonka tawi ni kasen jomum ɗoto wata goɗɗe ɗe batamaɗe nden wala bonondaji sanne amma dow maayo kay heppata bonondaji ngam mi woni nayi nayi maayo en ɗon ɓaanki mbo mbooɗa ɗe burtake allah ni wonde wonani min yettaki tami to madala tijani eɗe andi gollel fuu neɗɗo heppata saɗorda hano hande mbiye nder golle galijeji ceeɗuɗe saɗormaji irɗi e hen gonɗo ɗon kawra onon tawaɓe golle dande maayo wallayi saɗormaji ɗon gultirɗe gultirɗe noni wala guine iwota e gole maayo hikka engrais o mboccatake sa sandigal wonano kinne joyi kay cutta sa sandi engrais quinze quinze lobbo o teneji onni kakam fama pino amma buneji oni famaɗano caadi kinne joyi ɓowde awetenimo bo konkoru ɗum ujunere keme jeegom min codata concours concours humɓantama hikkitinoreje min ka concours tati min gatti komi awino kuure andi concours ujunere e keme jeego je concours tati kammin awi ono wala alhamdulillahi ko awɗa ɗum nde waɗi fo walay an woni do kilal fo min kene ɗon ujunere e keme joyoyi kadi kede ko pour ko pour mawdu noon min jogori fa warde hannde noon noon ko pour mi woni ujunere e keme joyi mi gonmi conna amma woɗɗo ɗon no conna ujunaɗe ɗiɗiɗi وبدل كنا أجنير كلا جه من أكو أجنير كلا الدنيا من ونكاد من بتاعك كلا جه تتجاني عن نقول نقطع دي سكابة أمة توري ونطبعا قبل غنيوني إن في ورا أنا أقول لي تسير في أمي فيلو لفلك الحمد لله في بما بما في فيل دي ده فيل دي يعني برزمة ما هنا ورجوله وما كذا عن أي أنا فوق أنا والله في فيلو تليفون تطلع ده أقول لك هبقى فوق خلا جوم يا فيلون هو سنة أنا لي لي لي ما نون لي يا فيلون أنا تاكو ياري ما عند كو ياري ما فوق والله إنما جاوا تاكو ما أما دا أيه تندو أنا أكيد أيه تون هبا بندرا ما هو أنا إيه يتعود أور بن ولا نتون دا عندي قول ما فوق الحمد لله دا وارتي ما تام والله وارتي جلين جاء دا فالله دو ما نون بيت أنا أقول لي بدي تفونا فيلون فوق Merci Omar Hama pour ce beau reportage. Nous allons boucler notre sélection musicale d'aujourd'hui avec les titres sans permission du groupe Processus Verbal. On vous laisse kiffer. Vas-y, vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, vas-y, bouge-moi ça, On est dans le quartier, ça s'ennuie pas. On est dans whisky, pourquoi tu as même mamie, elle tape quand je sors les baffes. Le voisin vénère, on lui fait un fuck. J'ai pas les kids, je veux de la loco. Ouais, eh, ma chérie, voilà la polo. fais moi ton amour ou bien dans ton dos. On est fan de ça comme des bonobos. On fait pas la queue, mais on s'en sert. Pour des raisons trop humanitaires, on a déjà tout vu comme des sexagénaires. Ok, d'accord, bon, j'exagère. DJ, t'es Balance la sauce, hein. c'est un nous un sa vie, j'ai déjà la TV. Ouais, garde ta monie à la place, je t'offre une nouvelle vie. Petit MC, ralenti, la cadence. Sur ma vibe, je vois que tu danses. Mais joue pas les bons sens, c'est d'où tu viens et aussi où tu pars. Y'a trop de jaloux, y'a trop de haine, mais on s'en bat les yeux. Nous on danse, nous on danse, nous on danse. Y'a trop de jaloux, y'a trop de haine, mais on s'en bat les yeux. Nous on danse, nous on danse, nous on, nous on danse, ouais, nous on danse. Je fais danser l'Afrique sans permission sans autorisation. On dit les jaloux et viennent t'amuser. Toujours bien habillé comme un Congolais. On rentre dans le club, chose qui collait. Non, ce soir, je suis pas là pour picoler. Eh, pays, je viens de Kouma. Moi, je suis pas comme Yakuba. Je te verrai jamais de Kuba. Je me battrai pour toi comme un Yakuza. T'es bien éduqué, pas de ma salle. S'il te plaît, chérie, tu viens bien me masser là. Coupé, décalé ou du mapuka. J'attends juste qu'elle me dise, chérie, Manugaka. Les délires de la vie, ouais, ça me dit. Le bonheur est venu sur terre, ça dit. Les rageux à nos tous, ils aiment pas qu'on a couché. Dieu merci, les cieux nous a bénis. Faire danser l'Afrique, c'est ça le deal. Même si t'es vieux, on va te rajeunir. Ouais, je fais le tonton, baisse tonton, fiston, Hagodin, bon, Hensington. Y'a trop de jaloux, y'a trop de haineux, mais on s'en bat les yeux. Nous on danse, nous on danse, nous on danse. Y'a trop de jaloux, y'a trop de haineux, mais on s'en bat les yeux. Nous on danse, nous on danse, nous on nous. nous on, nous on danse. Je fais danser l'Afrique sans permission. Je dansé danser l'Afrique sans permission. Je dansé danser l'Afrique sans permission. Sans autorisation. Attention, bonjour monsieur. On est venu pour mettre le feu. Les m'appelle MC Halal. Je compte rester dans les annales. Nous sommes à la une et ils ont mal. Oui, le bilan n'est pas banal. Baf sur la tête comme le choukouya. L'omidora du chocolat. Quand je la sors, et disent oulala. Dans quoi tu vas mettre tout ça là? Il n'a pas qu'à Maté la sable, je suis surcoté. Elle est embotée, elle m'a envoûté. Elle me dit bébé t'es vilain, oui je suis comme mon beau-père. allez ah, enfants écoutez-nous, vous les jaloux étouffez-vous. Les salopes qui disaient poussez-nous, je les réponds raille poussez-vous. Bon mais, bon mais, nous on danse, nous on danse, nous on, nous on danse, ouais nous on danse. Nous on danse, nous on, nous on danse, ouais nous on danse. Nous on danse, nous ah, on, nous on danse, ouais nous on danse. Nous on danse, nous on, nous on danse. Je vais danser l'Afrique sans permission. Je vais danser l'Afrique sans permission. Je vais danser l'Afrique sans permission. Sans autorisation. C'était le titre sans permission du groupe Processus Verbal. J'espère que vous avez kiffé Mariam a annoncé le nom du nouveau-né avant le baptême peut être mal vu selon certaines traditions. Cela est aussi attribué à tort à la religion musulmane pratiquée par la plupart, euh, la plus grande partie plutôt de la population nigérienne. Oui, Samira, les lotis d'aujourd'hui nous éclairent un peu plus sur ce sujet. Écoutons Zainab Abdou et Rekia Arimi. Affairage, affairage, affairage, affairage. assalamu alaikum pourkul si windo no wa alaikum assalam hey kyoro furo ninno wai wai wai wallahi hun kun dungai gono matin goy kyora hmm, nisi babai amma ai nir koy sabu matano gogite monno ni funu zari sanko wora ai kyora lela ko ardai nai funu bino a hai kulai koy ga barka hey woti labari hannu ni binde wani nu gana ni mu fata zari sanko wora ga windi wodi woni gicimbu amma hunkun zaro hin go gogore si ga hekulte wadin se no ani to nem ko ga kaibo a niga cim to ifo no ni doise labari kunno si ejora amma nigi be haifu ifo ki ai se me ayus er son zamani zai wai ga faham dainu ai ga faham fahaman ni di wato kan irgo er zanka cabai han hinno sintin gazanka ce dinga mayo koyin mu ba jirbi iye hayan wa bandani gate alhalira kan son za ku aka an dunyinu igisin tinga ce dinga mayo yin mu bore gi su bai gidi gi bai su di. e ni oni go gidi kan hayo mante ome ai yin woga bore him girna mai dir wani addina gananu a a kyoro wani wo mantiki mino ni goga addina dana mai dan kyarra ai man faham mante addini no ganji im ce dinga mayo kal caba hane dumu im goida ce ba hano wani -mm. wani mantiki mino wajen sai nawa ainihin sai kan nigo ga addina dana mai dan kira ni bai kan ba bifu irna fa karawo te inda alfagafo aha to fa fahamin dai semi ni bai arsilam tarayra igihin gazan ka mayo ke za a hawa na hayyan waga mm. igihin mo imke ba hannu sosorandi wani mo binde ikwai da su ginda halasi matabbata ga sunna no ne igihin ga kebaice girbi iya hani kan ina kukiya hai aya wala hadisi kulno sino kan gane imsi keba sosorandi agin gite hanfoyen borasin da noru kan ga fegyo dai ni ga bai mo in ki kurana ra kan irkoi si hinga tinai kul da ke inga ta bon kan asi hinga gere ya dinga di mm. igi hinga ke sosorandi hal a mutunan kan boradu noru kan ga fegyo dai oh na yi faham ya dinga zagayen irwo ga hayedan can aha ni faham ni bai hal arsilam gaka ka irna mai dirwana aladai gono wajin seno hanfoyin irga haye dan cara an kanse irin irmishe kiga faham aimir haye ka carga tondi don dai gor funo wani yan kulu man na mare wajen seno a ga bori borum cin kwara kwara <laughs> ai sabu kan na ino bon feri nawa bo da tali kyaro. haikan ai gihin gate sai dai noya to zaro go furugumu, ai go koi to kiro nan ai mindo Chers auditeurs, c'était le loti offert par les Dex Femmes du studio Kalango. Et à présent, c'est l'heure de la culture linguistique de ce mercredi. Nous allons comprendre l'expression inondation en français en zarma et ça sera avec Alassane Abdou, rédacteur en chef du studio Kalangou. Bonjour Alassane. Bonjour euh, Samira, bonjour Mariam. Euh, nous avons choisi ce mot parce que c'est la période. Hier seulement, pour ceux qui ont écouté nos informations, euh, avec le début de la saison pluvieuse, nous avons, nous venons de connaître déjà dans le pays à peu près 17 morts plus euh, plusieurs maisons tombées, également euh, euh, des champs inondés. C'est quoi une inondation Voilà pourquoi nous avons préféré choisir ce mot-là. L'inondation désigne la submersion temporaire par l'eau d'une zone habituellement hors d'eau, quelle qu'en soit l'origine. Elle est souvent confondue avec la crue, qui est une augmentation plus ou moins durable du débit d'une rivière ou d'un fleuve. Quels sont les risques il y a également des risques des inondations. Les risques d'inondation dépendent du phénomène naturel. Les aléas, par exemple, la rivière qui déborde, par exemple, mais aussi de l'ensemble des personnes, biens et activités économiques susceptibles d'en être affectées. Ces risques résultent ainsi du croisement entre l'aléa inondation et les enjeux exposés. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est de rappeler encore à nos concitoyens de faire très attention avec les zones inondables, parce qu'il y a des personnes précisément ici dans la capitale qui ont été déguerpies, qui ont eu des places où ils doivent se euh, réorganiser, s'installer, mais malheureusement les gens continuent de s'entêter pour rester dans ces zones d'inondation. Donc quand l'eau arrive, ça n'informe pas, ça ne prévient pas. Faisons très attention. matakan da nake da sun da nasar san nora hunkunar na san kasan birim kasalan bore har ngare ki gidi har kan gati wato fo irla bai wara kai di wato na gaba har ngaro wode inna irga san gabo zan bi ir labari ra ir ko ga san gabo kai diya sun tin da irga to burwakin di yila sabe kai yanko ka jangai alomare ir Niger labora winde da hukan kan mata zambar sanni. yaniga agi mandir mir bon da de mai karra harege hinka hasarote da har zurfon da irim sikinira irim si dabu irim sa haro ganja ma bizamiya matkan zarmani ki da har zuru asing fonda tan yaniga hari kanga borenga irga ba bore mete halka son fayan kayan kaina aga fayan da isa mu huro wali bungo mu huro isa huriyon alwa togonu da aka aga tonton kalam hurbata maira aga fayanka da bena haro kan daka aga mulsa yente watfan mulsa di mo irege ba watfan borege jangay yarmane borege jangay hunde hay foy kanga cege ba wani magano irkasal sar kanga tsani zobo kasiran sar kinaga inondation Merci Al-Hassan pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. C'est le moment pour nous d'écouter alors euh, les messages plutôt de nos auditeurs. Assalamu alaikum. Sunana Modibo, ni dangance da shirye-shiryen kalangu ina sauraron shi kwarai ma musamman ma akwai radio niya suna zanki kaftanta wato muna sauraron shi kwarai-kwarai saboda mahimmancin da ke ga ainihin shirye-shiryen nasu fisibilai muna jin daɗin shirye-shiryen kwarai ma suna zanki ɗan tattauna ko forum ake ce mai akwai shi kuma inda ya yi ƙayatarwa sai zamanto ba yare guda ba ne kawai in zamanci mutum kawai ya iya abin da an ka hudi da faransai shine za a hudi da hausa shi za a hudi da zaurmanci da hullanci da buzanci kun ga alhamdulillah a na duka ƙasa gaba ɗaya ne saboda gaskiya muna yaba ma studio kalangu duk inda take don ka vraiment mun ji daɗin shi sosai ma tana da muhimmanci sunana mamman kabiru abdu mazaunin garin arliti ne bisa ga tsarin da studio kalangu take yi gaskiya muna jin daɗin shi sosai saboda yawanci duk abin da suke yi abubuwa ne wanda suka shahi rayuwar yau da gobe ta kowa da kowa kamar misali in ka ɗauki kayan shaye-shaye abubuwa ne wanda sun zama ruwan dare ko ina ne kuma ba mata ba maza ba yara to wannan abin su muke so a ƙara sa mana hannu cikin shi ina jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu musamman ma irin labarai da suke yi a kodoshi masu ƙayatarwa da kowane harshe da muke ganewa na shi daɗi ina gaida hasiya a dubai ina gaida maryama a dubai a gaskiya muna sauraron kalangu sosai sosai lokacin da na yi karatu ma a mai kullum da abokanai na muna saurari da na dawo gida ma kuma ban kwasa ba surtu na faransiya wannan na samun labaru na cikin ƙasa gabaki ɗaya Chers auditeurs, Studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir. Et nous sommes avec Nefissa Sirfo, notre collègue chargée de présenter les journal en français. Bonjour Nefissa. Bonjour Mariam. Quels sont les titres de ce soir alors Alors, le forum sur la stratégie des écoles nomades a ouvert dimanche à Agadez a pris fin hier. Les recommandations sont à suivre dans nos journaux du soir. Les membres du Conseil de veille citoyen de Tilaberi sont en, cette semaine en renforcement de capacité sur l'agenda femmes, paix et sécurité. On en parle également ce soir. Dans le magazine un prédicateur nous explique la signification de Ashura qui a lieu le dixième jour du Muharram, le premier mois de l'année du calendrier musulman. Merci beaucoup Nafisa, on se dit à ce soir. Hein. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Mariam Ibrahim et de moi-même Samira Wafi. Le plaisir est toujours grand de partager ces moments avec vous chers auditeurs. Le rendez-vous est donc pris demain pour un autre numéro. La technique a été assurée par euh, Lawali euh, par plutôt euh, <laughs> Ayuba et euh, l'édition par Adama Dawaki. On se dit à bientôt.